Amis jeunes de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 km de Niamey. Nous sommes à Maradi, nous sommes avec euh, la génération tête baissée. Quand on dit génération tête baissée, c'est la génération qui est toujours sur le téléphone portable. Nous allons parler justement du téléphone portable en milieu scolaire. Portable comme on dit local l'école, est au bonheur qui s'élance. Sandai de nous kan borse walmo gomni sujun gon fona borse en effet, avec l'avènement des téléphones portables, les jeunes partout au Niger, en zone rurale, urbaine, aujourd'hui en possède au moins un téléphone portable. Bamanti Android, nos Boragan portable, Kenkan, Pokekan, Borago Goda, qui pour améliorer son niveau d'étude en installant des applications comme le dictionnaire, les traducteurs ou encore des recherches sur les moteurs de navigation tels que Google euh, ou aussi faire des recherches, prendre des photos, des cours et tout ça là pour vraiment euh, avoir euh, les bienfaits du téléphone portable programme du portable nafa ou bien pour se divertir sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, et aussi euh, pour se draguer aussi, ça notre chercher quoi. Et oui, amis de la FADA, comme je le disais, nous sommes au lycée d'Ambascoré de Maradi. L'utilisation des téléphones portables au Niger impacte l'éducation, et aussi même la société. Au Niger, s'il y a un phénomène qui mérite qu'on s'y attarde actuellement, c'est bien l'impact négatif qui est l'utilisation des téléphones portables et des réseaux sociaux sur l'éducation des jeunes scolaires. Eh oui, amis jeunes, nous sommes au lycée eh, d'Ambascore, eh, lycée Fono Kantubarikala, le colisée Itemo, Igba Chouyan, ici beaucoup de tonniers, Yachino Deno Imurado Gonek Teda. Eh, mais eh, c'est pas pour plomber l'ambiance. casino. On se souvient encore ici, dans cette même euh, école, eh, le 31 mai 2021, c'est ici qu'on a célébré le mariage entre des enfants. Ça a fait vraiment viral, ça a fait tabac sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu le téléphone portable qui a été utilisé. Et oui, nous allons euh, voir euh, tout ça là euh, au cours de cette émission. On va voir comment ça se passe. Nous sommes avec des élèves, avec le proviseur, avec les parents d'élèves pour parler vraiment de l'utilisation des téléphones portables ici au lycée. Et eh oui, je vais commencer avec toi. Dis-moi, vous utilisez un téléphone portable Si. Ou où à l'école Ah non, chez moi à l'école. je euh, parle n'importe où. À l'école, vous utilisez le téléphone ah portable Non, je n'utilise pas mon téléphone portable à l'école, mais je viens avec. Ok, d'accord, vous venez avec. Et pourquoi Puisqu'il y a tant de choses que je, gère chez moi. Comme le comptable de mon père, il peut m'appeler à n'importe quel moment pour demander quelque chose qui lui manque. C'est pourquoi. quelle place occupe le téléphone portable dans votre vie aujourd'hui Grâce ma vie actuelle, mon père ne veut de ma part qu'étudier. Je l'utilise pour renforcer mes études seulement. Je peux dire même euh, l'utilisation du téléphone portable dans mes études paraît un peu comme indispensable en fait. Puisque moi je ne peux pas apprendre mes leçons et laisser un point en fouillant sans comprendre. Je veux que quand j'apprends une leçon, que je la comprenne complètement. Comme l'avait dit Babaraji, dans les sites web, il y a des vidéos qui circulent, même sur les cours. Là-bas, on t'explique à 1000% plus qu'on t'explique en classe. En classe. Là-bas, on te montre comment ça se fait, comment ça se produira et comment ça sera. avec lui, on comprend tout de suite que vraiment le téléphone portable est très important si on l'utilise vraiment dans l'autre sens. Oui, c'est pourquoi j'avais dit même le téléphone portable est être Oui, le téléphone portable est net. Ibrahim je viens à vous. Dites-nous euh, quelle place occupe le téléphone portable pour toi en tant que tout à l'heure, vous avez distingué les téléphones portables en disant que même si la personne n'a pas un smartphone, il a un Allo Mamou. Au moins un portable. Tout à l'heure, moi, je vous ai montré mon téléphone portable. Histoire de dire que moi, le téléphone que j'utilise là, des fois, moi, je peux faire trois jours sans avoir un appel. C'est juste pour les réveils, pour la prière. Moi, je le mets pour me réveiller à 5h30 quand tu lui l'air des différentes prières, quelque chose du genre comme ça. Pourquoi cette façon d'utiliser le téléphone portable parce que le petit téléphone portable, là, on ne peut rien faire avec. Ok. Et ici, je suis à Maradi, donc ma manière de voir les choses est tellement différente des autres. Donc je vis dans mon coin. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que moi... Qui est est-ce Ah, Ah bon Ah, ici, Moi, je vis seulement... Je pour faire de l'appui pour appeler la clientèle ou bien ah non ah, C'est-à-dire que moi, ma seule copine, c'est la terminale. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un, un grand téléphone, c'est parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont plus forts que soi. Le téléphone là, il n'y a pas d'argument en tout cas qui va partir dans le sens positif. Dire que l'élève a besoin du téléphone portable dans le milieu scolaire, moi je dis que ce n'est vraiment pas possible. Puisque pour ceux qui font des recherches avec le dictionnaire, mais le Robert là existait avant que nous ne soyons nés. C'est avec ces mêmes documents que nos aînés ont étudié. Quelque chose du genre comme ça. Trois points de suspension pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Merci. Et eh, je reviens à toi. Eh, Nigan portable, mais oui, nous Et qu'est-ce que tu fais avec Salam alaikum. Alexa. Et eh, Mayoma Ismina. Ok. Tout. Et portable, il y a des. Il y a im sukan da sai interdi deja ingo portable hay hin ka gana go swat ni mate har hanobon wani mate har lalabon kenan ai sukan e iko zakan ini se interdi et puis de quoi faut yanga ki e recherche ou ai échanger e avec la famille tout tout tout donc euh, har hanobon gano ai go gati le fait de filmage euh, des trucs bizarres qui n'est pas bon, là c'est un autre cas. Mais le fait de télécharger Borgwanda groupe il est chaud, makaranta, Hinga Kyau, Agno Inga Ba Dago Fuyang, par groupe notion ah ah donc d'un côté, il vraiment portable din ok euh, Bon, Malika, dites-nous quelle place occupe vraiment le téléphone portable chez toi, surtout à euh, milieu scolaire bah, sur le côté négatif, ça n'a pas un grand impact sur ma vie. OK. Euh, sur le côté positif, je suis vraiment pour faire des recherches, pour approfondir mes connaissances. Je peux faire des mois sans me connecter aux réseaux sociaux. D'accord. Maintenant, euh, pour les études, euh, tu vas sur quel site et quel site où est-ce que tu vas pour aider aussi nos amis auditeurs des 50 des radios partenaires du studio Kalango à comprendre quand on a un téléphone portable à l'école où est-ce qu'il faut aller avec qui visite euh, quel site et quel je m'intéresse beaucoup aux sites littéraires pour lire les résumés des œuvres parce que n'ai pas le temps vraiment de lire toutes les œuvres étant scientifique en terminale C tu préfères aller voir les résumés des œuvres et je trouve ça plus intéressant c'est ça qui me divertit lire les œuvres ou bien les chroniques D'accord, ok. Wattpad alors Avant je faisais Wattpad, mais plus maintenant. Ok, d'accord. Prends le micro. Dites-nous comment tu utilises le téléphone portable Moi, j'amène le téléphone portable à l'école pour un appel d'urgence. Mais à la maison, j'utilise ça pour faire mes recherches et puis je prends un mois sans me connecter. Mais quand je me connecte, c'est pour une raison. D'accord. Et eh oui, amis de la FADA, avant de poursuivre notre émission, on va écouter la rubrique Rosa proposé par les filles du studio Kalangu et on se retrouve à la Pada. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Dans l'espace beauté de ces dimanche, nous continuons avec les matières à éviter pendant cette chaleur qui est vraiment très désagréable. Couvrir les parties sensibles. Si vous devez être exposé au soleil, même pour une courte durée, il est nécessaire de couvrir la peau pour ne pas risquer le coup de soleil. Au minimum, un chapeau protégeant les oreilles ou un t-shirt à manches courtes pour les épaules. Passez aussi une bonne couche de crème solaire. Adoptez aussi des couleurs claires. Les couleurs sombres absorbent la chaleur du soleil alors que les couleurs claires auront tendance à la repousser. Un tissu blanc n'absorbe que 120 watts par mètre carré, soit trois fois moins que les tissus noirs. Des habits beige ou blancs sont donc conseillés. D'autre part, le soleil a tendance à faire décolorer les couleurs vives. Évitez aussi les bijoux. Avec la transpiration, les bijoux collent à la peau, ce qui peut favoriser les allergies. Ces en métal ont par ailleurs tendance à chauffer le corps, notamment au poignets ou au cou, qui sont des points de refroidissement majeurs du corps. C'est tout pour l'espace voté de ce soir. On passe à présent à l'espace santé avec Samira Rouafi. Alors, euh, dans l'espace santé, nous allons parler de méditation. Pourquoi apprendre à méditer Déjà, sélection des avantages associés à l'apprentissage de la méditation. Pourquoi la méditation est-elle si populaire à notre époque, en particulier dans notre monde la réponse principale est qu'il était démontré qu'elle est un excellent antidote au stress, qui est la cause de nombreuses maladies actuelles. Le stress affecte la libération d'hormones importantes dans la circulation sanguine. Voici quatre raisons de méditer. D'abord, c'est un antidote au stress, réduction de l'anxiété et de la dépression, réduction du risque de maladies cardiovasculaires et une plénitude de l'esprit et de l'âme une plénitude aussi euh, de notre être total. Ces bienfaits de la méditation pour la santé sont également ressentis par ceux qui la pratiquent en tant que discipline spirituelle, mais ils sont alors considérés comme des effets secondaires heureux et non comme l'objectif principal de la discipline. La méditation en tant que discipline spirituelle n'est pas seulement une question de plénitude du corps, mais aussi de plénitude de l'esprit et de l'âme, une plénitude de notre être total. Le silence de la méditation nous permet euh, de nous transformer en ce que nous sommes censés être, un être paisible et harmonieux agissant par amour. Nous passons de la surface à la profondeur de notre être, là où réside notre croyance. En ce faisant, nous entrons non seulement dans une meilleure relation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, avec la création et avec une réalité divine dans laquelle tous sont intégré. Et si je peux dire aussi euh, une phrase qu'a dit Lawrence Friedman, directeur de la WCCM, il dit D'un point de vue spirituel, on se détend pour méditer plutôt qu'on ne médite seulement pour se détendre. Et c'est tout pour cet espace santé d'aujourd'hui. pasó, no pasó. matkaran gonag famda irsi kala lycée d'ambascore neo maradi nakair gonag sala kambarasi sirobon gomni fo dum na gini kan localiser se walmo sande fora na gini localiser da wani o bonor gona fakare inda localiser wonde da rusai in provisoire no de parent de leve amma denge wey tun kain fo igi ka fadara ko inda ton tomatiki gi chino tout ça la fada bora kulno go fadara on va euh, poursuivre les discussions Raila oui euh, dites-nous aujourd'hui existe-t-il réellement un danger à l'utilisation des téléphones cellulaires à l'école danger fo no gara l'école bonum kan portable oui, il existe un danger. En classe, les élèves manipulent des téléphones portables pendant que les professeurs expliquent les, leçons. Ils sont en train de causer avec leurs amis, faire des jeux, des trucs comme ça. Donc, ça aussi, c'est un danger. C'est un danger, un danger. oui. Le fait de manipuler son téléphone portable pendant que les autres sont concentrés le professeur est en train d'expliquer les leçons, les parents sont à la maison, ils attendent qu'on amène des bons résultats. Professeur, je ne sais pas, vous avez fait vraiment un bon casting ou bien qu'est-ce qui se passe. En tout cas, la quasi-totalité, selon eux, utilise les téléphones portables dans le bon sens. Dites-nous comment vous, vous voyez l'utilisation des téléphones cellulaire à l'école. Et si vous pouvez nous parler de la situation d'ici, euh, des lycées d'Ambascore et de Maradi, comment ça se passe C'est euh, permis, c'est interdit euh, Où est-ce qu'on doit aller avec Merci, monsieur le Président Vous savez, tout est parti d'un principe, c'est lui du règlement intérieur. notre règlement intérieur interdit l'usage du portable. Alors nous sommes obligés de nous plier parce que c'est la loi. Alors nous avons suffisamment sensibilisé nos élèves par rapport à ça. Quand on te prend, il y a des sanctions. la première des sanctions, c'est celle qui consiste à arracher le portable et à l'encaisser jusqu'à l'année prochaine ou bien le début de la rentrée. Et quand le parent ou l'enfant insiste à ce qu'on lui remette le portable, nous chassons l'enfant parce que là, c'est une infraction à la loi, par conséquent, nous ne sommes pas prêts à accepter. C'est pourquoi elles sont obligés d'accepter le principe tel que ça a été prévu. Et deuxièmement, vous savez, l'usage du téléphone portable en classe, en dehors de ces aspects un peu distractionnels, l'avantage euh, que les élèves tirent, c'est pas forcément en classe, mais à la maison, ils peuvent faire une bonne application un bon usage, là, elle peut en tirer profit. Mais en classe, vraiment, ça n'a aucun intérêt et par conséquent, nous avons strictement interdit l'usage du portable en classe au niveau de notre établissement. Et c'est accepté pour tout le monde. Ok, d'accord. Euh, vous qui êtes les parents d'élèves, ah, ou euh, Yara, est-ce que vous coopérez Kakane, comment est-ce que vous voyez le fait qu'un enfant, on retire le portable que vous avez acheté à l'enfant, que Mayar portable, yezo le col, amchemay portable, eh, kakane kuche garwana abu, koko yagamante yakanan daine daidai ne. Eh, abin da mu za mu ci wannan abu daidai ne tunda doka ce ta ƙasa. Hmm. Kuma duk ɗan bai wuce doka ba duk ma ɗan ƙasa bai wuce doka ba kenan ita ga doka kamar wakilanmu ne na ƙasa na asambile waɗanda mu muka zaɓe su ledifte su suka je holowa ga zama doka ga ƙasa gaba ɗaya kenan yau ya kamata mu uwaye mu sani yau in aka anshi portable ga hannun yaro babu intervention wajen provisor ka zo a a portable ta wani ce ya ɗauko ko ta ce a ƙa'ida mu bi doka mu yi haƙuri sai ƙarshen ani saboda wannan salula ta ɓata mamu ɗaya ta fannin makaranta da yawa saboda yau kai a matsayinka na uba ma kake yaron ka na lakula wata rana ba lakula yake ba ya bi wasu sakarkaran abokai sun baro kenan portable wannan ba ci gaba ba ce deja da yawa an ka ɗauka for example ana cikin bak akwai wanda da yawa an kore su saboda portable kwata-kwata sun yi asara wannan anan akwai wanda suna cikin bap sai an kore su saboda portable sun yi asara wannan ane kyau mu uwaye riba muka ci komi mun haɗi kenan mu a matsayin mu na uwaye in muka ga yaro na unhani da portable zai huwa lakwal mu an mu aje sai in ya dawo a mika mashi abu shi ba laifi ba ne ba dan a lise yanzu da ake diba kamar yaran na sun mallaki hankalinsu ake barinsu da ita ko a yara da ke lise su kansu su mallaki hankalinsu bare yan kolaji kenan kai uba in ka ga da portable i kokari ka anshe portable kin nan ka aje ta in da daga makaranta in baka akwai da yawa uwansu ba su bari su da, da portable akwai kuma wanda uwayen ba su ma san da su wani su uwayen ma ba san da portable kin ba tunda mm. wata a gidansu ba ta gwadin tana da portable mm. sai dai in ta hito nan saboda ta san in babanta ya gani ko mamata sun tambaye ta ina kika samu portable kenan nan ma yara jan hankalin da muke masu san ciwon kansu yau duk abin da kaga ubanka ko uwa san hana ba alheri ba ne gare ka abin da ke alheri gare ka shine uwa yake kokarin su sa ka gaba ka yi shi shine kiran da nake ma na ku yi kokari portable kin nan kar ku sa shi gaba a ku dauki ku da librori ku sa gaba yanzu in ka zanna bisa haraka lakcir sai ka dauki dan terminal wani bai ma lakcir kaga akwai matsala miyasa yasa sun musa portable gaba ba a daukar roman a yi karatu a san menene ake portable kenan wani abin da za gani cikin babu shi kaga kenan har yanzu karatun mu ah. tout de suite avant l'arrivée des professeurs et du président des parents d'élèves, on parlait des dangers, des inconvénients du téléphone euh, portable à l'école. Quels sont vraiment les, les, les inconvénients Parce qu'on a vu les avantages, on peut visiter des sites, on peut photographier son cours à la maison et puis regarder ça après on peut faire beaucoup de choses, avoir le DICO, avoir des traducteurs dans, dans le téléphone portable. Alors quels sont les inconvénients Moi, c'est Farida Sandayo. Farida Sanda. Bon, il y a beaucoup des inconvénients. Comme il y a. C'est To. Ça. Hmm? Hariami yon bobu no gon kagte nchi yon gawala. Mhm, mhm. Comme elle foyon gon di kan dingay e portable manti imkyoma e gasino. C'est seulement pour faire des selfies, des tricheries. Il foyon mo gon kandigo te ils se attention. Seulement, c'est pour WhatsApp, faire des SMS, écouter des dandali, etc. Avec les portables iPhone, élève foyer dit quand dingue portable. portables. selfie seulement d'ailleurs. selfie Bon, bora Ils ont sans photo Soit ici, ba photo de logo de Girobo, bu zambora une photo sam kal giro Quoi c'est vrai non oui kwene afo yon qu'ils kan des portables. Ils ont portable isi kyau ikso h24 connexion. D'abord, de chau bine inconvénient jang Quand problème Quels sont les inconvénients vraiment de l'utilisation de téléphone portable On y va en Hausa, en en français, au les inconvénients d'amener son portable à l'école. Vraiment, comme il a dit, il y a beaucoup d'inconvénients. Si par accident, l'enseignant te trouve avec un téléphone portable, c'est la sanction. Sinon, le portable sera encaissé jusqu'à la fin de l'année. Si par chance, on l'enquête, Sinon, c'est la sanction. Et la sanction, ça, ça peut aller jusqu'à quoi on peut Ça peut aller jusqu'à qu'on l'expulse de l'école, l'élève. D'accord. Et donc, dès là, il a perdu toute l'année. Boro moi Oui. <laughs> Prends le micro, alors aide-nous à savoir aussi euh, les inconvénients. Coup des inconvénients. Ok. C'est tout. Si on est en classe, le professeur est en train d'expliquer la leçon. Il est en train de faire un appel ou l'écouter lit. Et les filles font un rendez-vous. Lorsqu'il vient à l'école avec le téléphone, il appelle ses copains, faire un rendez-vous pour que faire pas carré. L'homme va faire quoi Faire carré à faire quoi Faire carré à l'école. Ok. Oui. Ou bien sur la route. Sur la route. Tout ça, euh. c'est grâce au téléphone. Parce qu'il faut donner son téléphone, euh, son numéro à Chambiano d'abord pour qu'on se croise après. Euh, oui. <laughs> vous demandez ce qui Chambiano. Monsieur le proviseur, je reviens à vous. Hein. Alors, et eh, maintenant, que faites-vous vraiment pour contrôler de façon minutieuse pour éviter Parce que à chaque fois, il manque pas des frondeurs des fraudeurs qui ont des téléphones pour peut-être pour la tricherie pour euh, harceler les autres, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que vraiment euh, le lycée d'Ambascore est en train de faire dans euh, Ici, au LDB, les cas ne nous échappent pas, puisque quand on rentre en classe, ce qui est clair, nous ne fouillons pas les sacs, mais seulement nous avons un œil regardant sur le mouvement des élèves. Parce que a certains qui portent le hijab et qui mettent leurs écouteurs. Mais tout ça là, c'est strictement surveillé et que nous avons des surveillantes euh, auxquelles nous avons confié cette tâche de surveiller strictement euh, l'usage des portables en classe. Une fois saisi, le portable est séquestré vous ne pouvez plus l'avoir. Et deuxièmement, il y a la sanction qui peut suivre si euh, l'enfant insiste à ce qu'on lui remette ou bien son parent intervient. Tout ça là, nous ne pouvons pas euh, cautionner. C'est pourquoi nous avons atteint un seuil où vraiment c'est accepté de tout le monde que l'usage du portable en classe est interdit et les enfants se soumettent. Voilà le principe. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci aussi à Mijen de la Fada. Avant de clôturer, on va écouter une musique que vous allez me proposer et après on se retrouve après. Euh, vous avez quelle musique à nous proposer Ok, euh, on va écouter euh, Lyon, célibataire ou marié. Lyon. Toujours une Lyon. Un peu de respect, faut respecter. Quand une Lyon arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier célibataire. Une femme mariée, ça ne change rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne parle pas. Y'en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas des limites. Fort caractère, elle sait jeunes de la Fada, c'était là euh, d'ajout proposé par les filles du lycée d'Ambascore et de Maradi. On se retrouve à, la Fada. Maintenant, on va conclure la dernière question et la suivante. Si possible, j'aimerais vraiment que chacun trouve un petit mot. Euh, après, je donne la parole au proviseur qui va euh, euh, conclure. Je commence avec les parents d'élève d'abord. Après, voilà, on, on vient. bye. Eh, muna so ne ku gaya mini menene ya kamata a yi koko wani shawara ne za ku bada da ga 'yan makaranta uwayen makaranta eh, duka da kan wannan seliler ka tabata vrema iskularite eh, na yara to salamu alaikum mana godiya ga radio kalangu da ya ba mu ga dama na mu tantauna bisa ci gaban makaranta e ni shawarar da za ni bada a gurguje na farko uwaye su sanki da portable kin nan zuwa da shi cikin makaranta ba wani alheri ba ne ga yara dan in dai uba ya gani yaro zai taya makaranta da portable ya ansa ya aji an tashi ya bashi sannan na a kiran da zani ga mushanni su ma sai sun kama jikinsu su tabbatar da wannan doka da gwamnati ta aza ta ansa portable ka a ce wane ko wane ko kuma ga wane a'a duka kowane ne mushanni suka ji portable din shayi kuka cikin kalarsa an shi su kai ma administration administration aka kai maku kowa ya zai nego sai ku ce mashi babu dokar kasa ce sai shekara ta kare mu shine abin da muke kira ga administration da uwaye su yi kokari su kuma kiran da za ni ma mu su gane menene ya kasa makaranta ga a a karatun ga da kuka zo amana ce mu uwaye muka ba ku kenan ku riƙe amana muku tsaya ku yi karatu ba portable ko hira da wasu ba wannan cin amana uwaye ne ku tsaya ku yi karatu shine amana da mu uwaye muka ba ku kenan ku aje portable ku yi karatu saboda wata rana ku ne manyan gobe ku za ku riƙe kasar ga uwaye kila suna ƙasa merci aban sanno me da yana wallahi buram shing babu zamba danin da mu kole kol mu su portable nanu am sube ya bonno ga ci bor beri labora Prenez ou bien on passe là-bas On passe là-bas. Ok, d'accord. Euh, un conseil, quoi. J'aimerais juste avoir un conseil de la part des élèves envers les autres élèves qui nous écoutent. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'utilisation du téléphone portable Ok, euh, Yasmina, Wano Micro, C'est là, Salam. Euh, je reviens pour en augmenter encore et que le téléphone portable rend paru sur les élèves parce que ça, leur, ça affaiblisse euh, leur capacité en français. Parce que vous allez trouver un élève de la terminale est incapable de lire un texte proposé en classe. Et, ça, c'est manque de la lecture de lire un roman ou bien même si les séries d'exercices, euh, un commentaire composé de l'heure comme ça, c'est un autre cas. Elle passe son temps euh, passe son temps sur le téléphone. Si c'est pas à connecter, c'est à faire des recherches, ou bien quelque chose comme ça là. Mais même si la personne est en D, il doit vraiment euh, donner de l'importance euh, à des livres, à des œuvres, euh, parce que ça améliore bien leur niveau de français, voilà. Ok. Donc, c'est vraiment intéressant de, hmm. de laisser à faire de, téléphones téléphone portable. Si ça n'amène aucun changement sur votre vie ou bien sur notre avenir. Pour ma part, ce que je dirais pour conseiller pour mes amis élèves, c'est que le portable est un couteau à double tranchant. Mais la majorité des élèves utilisent son côté négatif. Donc ce que je dirais, de laisser le côté négatif et de l'utiliser dans un bon sens. Dans le bon sens, oui. Oui. Merci, merci beaucoup. ah mantara naran si nay kunno sanno tunara rawala to igo angan se ibrahim Ouais, un conseil envers les auditeurs sur l'utilisation de téléphone portable. Oh madalla to iro irdi yango ga dai mm. portable bora iri irdi kan portable a won goyo aga hinga na lokoli zo am faham dinga chawyango am konda jini yadi ni mono aga hinga e koli zo mare lokoli zi ya dai kan ka kaga to lise igbe dai kan alberi no an bai hankan a gaba telefon portable mato kan bora kulna ci da irin boyan dai nirga ci amma ci na fora mhm. gati ni mu gwai da gwai kan ginna fa shikenan wallahi sanno me dai no amma gwai da gwai kan ginna fa mu koi gai fotai kan sinna fa maran ko arbora ha wandi amante Euh, monsieur le professeur, alors euh, un dernier mot, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour utiliser le téléphone portable dans le bon sens, comme euh, le disaient les amis de la FADA. Qu'est-ce qu'il faut faire Un studio Kalangu da kuka ba mu wannan euh, lokacin kuka shigo a cikin karkara har kuka zo eh, makarantar mu muka canza miyau bisa ga aiki da unhwanin portable. Lalle wadda muka ce eh, portable yana da unhwani kuma yana da matsala. Unhwanin shi in yaro ya zamanto zai shi aiki da shi bisa ga hanya ta karuwa da shi me yana da matsala saboda yaranmu yanzu ba neman karatun bane suke aiki da shi wancan kote na batsarci shine ya yi unhwani da shi mu kuma muna fatan a kiyaye kuma za mu ci gaba da sunanmu na uwaye da na jagorancin makaranta za mu kokari mu kare yara bisa ga unhwani wanda ba na kwarewa na eh, salula insha Allah haka za mu ci gaba da yi merci beaucoup monsieur le proviseur merci eh, aussi de la fada eh, irka gto kuna fakara me amalir ban irga fada chronique Chers amis jeunes de la FADA, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre chronique avec la suite du sujet d'hier. Il s'agit bien évidemment de la question du courage. Et justement, hier, nous avions vu avec vous certains actes du courage. Eh bien, nous allons continuer à découvrir d'autres actes du courage ce dimanche. Chers amis, Sachez que le courage se manifeste également dans des actes de résistance quotidienne. Prenons l'exemple des personnes qui luttent contre la maladie, faisant face à la douleur, à l'adversité avec une détermination inébranlable. Ces individus qu'ils soient des patients atteints de cancer, des survivants de traumatismes ou des personnes confrontées à des troubles mentaux font preuve d'un courage extraordinaire dans leur combat pour retrouver la santé et la joie de vivre. Mais le courage n'est pas seulement réservé à quelques héros médiatisés. Il existe des exemples de courage dans la vie quotidienne également, dans les petites actions qui demandent du cran et de la persévérance. Cela peut être le courage d'exprimer ses sentiments, de demander de l'aide, de changer de carrière, de démarrer une entreprise ou de prendre des décisions difficiles pour le bien-être de sa famille. Chers amis, le courage est une qualité qui peut être cultivée et renforcée. Alors, soyons courageux et réalisons nos rêves. Sur ce, à bientôt. chronique senaran ganganir garan fondo lycée furta le cawandi kay fondo de ko karo karanda dangir hangan c'est pas facile on sait que c'est pas facile mais bon merci vraiment merci beaucoup merci pour l'accueil applaudissez pour le uh, lycée d'Ambascore. voilà merci beaucoup irsabu o kir boyir salam kono mi masana kal telephone portable bon kambara si siro sanday fodum na gini kan bor se chaw fondara gomni fodum no boni borgi ngi ara idi mo ka hin ka kunno bono o kam bo boray ga bandi ti ine borom te hankan gin nafa mati hankan nan portable min nafa zam dim goyir portable ni bom magano ni goyda aron ko ar boray lakkal si kal ga yan ga borom te hankan na portable amin ga ni kewora am sitan kan gin moran din ni kewo merci beaucoup